Nous donne l'objet d'une nomination nous nommer un ministre nous nommer un directeur général mais un décret qui nomme un président de la République le Sénégal le président Macky Sall crée. cette fonction ce sont 7 millions 500 000 électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Mais le président Macky Sall a décidé, de par un stylo, de se substituer à ses 7 500 000 électeurs. Donc, Kibirum, biiram ni un mandat d'un an. C'est bien de le préciser que c'est un an. Parce que le 15 décembre, si l'élection se tient, au moins 40 jours après l'AIDEM, et on sera au mois de février. Ce que Njaay di wax je que ku nekk ak li nga retenir que ci yow est-ce que da nga bëgg histoire retenir ni lii bi mu amee da nga ou bien da nga bëgg histoire retenir ci yow que lii bi mu à lay sa def nga ko comme taxawaay lii suñu nous, en tant que candidat et leader tous les jours nous le faisons la dernière fois quand on vous avait en face de nous on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale ce qui a été fait ils nous ont gazés, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre le gaz lacrymogène pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmane Gom les gaz lacrymogènes de Mbaye les gaz lacrymogènes de Abdoulaye Daoudou Diallo les gaz lacrymogènes du ministre Ali les gaz lacrymogènes de maître Antoine Djom, j'inhalerai les gaz lacrymogènes de Sidi Kigaba. parce que c'est notre démocratie qui demande cela adduna nous je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis sénégalais. Je le suis encore. Mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'ire de toute la communauté internationale. Jamais on a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à d'être échue. Un consensus, sans le dire, a eu à exister sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul, à partir de son stylo, de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Et les pas pour qu'il recule seront également engagés.